D'abord, quand j'étais petite, quand je venais ici, en ce moment, le, site existait. C'était quelque chose que j'aimais visiter. Après, quand j'étais partie à l'université pour ma licence, j'avais, euh, avec euh, le projet ASS, ils ont proposé un thème sur les Autriches. Et j'ai accepté. De là, quand j'étais venue faire le stage, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose pour les Autriches, pour faire en sorte que le site marche bien, pour faire en sorte que les Autriches, qu'on arrive à l'objectif final qui est la réintroduction. Et après, je fais le Master 2. J'étais encore revenue pour faire mon stage. Et c'est de là où je fais une proposition de gestion parce qu'en ce moment, il y avait tellement de problèmes que les gens pensaient que le site n'allait pas marcher. Et c'est partant de la proposition de gestion que j'ai commencé à gérer un peu le site. Et c'est parti de là. Donc grâce peut-être à ce que vous faites, on voit que la population est en train de grandir. Alors euh, quelle est la stratégie que vous développez oui, bon, suite à la gestion, à la bonne gestion, maintenant ça fait en sorte que les partenaires sont revenus, ils sont prêts à financer. Puisqu'au début, il n'y avait pas d'éclosion, il n'y a que des pertes. Et c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup des partenaires se sont retirés. Et maintenant, ils sont revenus jusqu'à faire les installations que vous avez vues, qui sont des grandes valeurs pour accélérer le projet. En termes économiques, alors quel intérêt ce site-là peut apporter à la zone En termes économiques, lors de, de l'installation, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens parce que ça coïncidait avec la saison hivernale, les travaux qu'ils ont eu à faire. Beaucoup de gens ont gagné, ça les a permis de, bien gérer leurs champs, leurs travaux champêtres. Y compris des femmes Oui, les femmes. Ça, les femmes, c'est tout récemment. Mais pour les hommes, à chaque fois qu'il y a des travaux qui nécessitent euh, la main-d'œuvre, donc on, fait, on utilise la population. Et en termes économiques aussi, l'alimentation qu'on achète qu'on donne aux autrices. On achète ça auprès de la population. Donc tous ceux qui ont un produit peuvent directement nous vendre leur, euh, production sans pour autant se déplacer, aller ailleurs pour les vendre. Donc ça leur permet de, gagner économiquement. Mhm. Voilà la contribution qu'on a. Oui, enfin, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés Les problèmes, euh, c'est surtout le manque de clôture, manque de, de vétérinaires. C'est surtout ça les problèmes manque de clôture, ça perturbe. Donc on ne sait pas qui va rentrer et quand. Et manque de vétérinaire quand il y a une maladie qui est au-delà de mon imagination. Donc j'ai des problèmes, il faut perdre automatiquement l'individu. Puisque même les experts, euh, ils ont du mal à prendre une décision. Il faut les traiter localement, faire recours à la médecine traditionnelle, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on gère.